Aïe, yes. Funana Orange, jeu de l'enveloppe, jeu de la chaise, Bonne coup de déggee am na fu mu leen di am émission bi nga kenn daanu ko woon tardé ndax jeunesse bi ñëpp mu daw chaîne RTS ki ñu ko présenté di ben Mamina moom nag gëj nañ ko gis lool. tey moom nañ seet comme retrouvaille mu daal di ñu wax naka la daan ñu euh, tournage ak lan moo tax léegi émission bien que c'était de 2000 c'était de 1995 à 2000 2005 Ben Mamina je suis un invité je suis plateau ci une Production. Aïe, vraiment on se retrouve aujourd'hui eh bien dans la joie et la bonne humeur vous le savez je suis toujours un homme de la joie et du bonheur de la bonne humeur voilà mais maintenant j'ai vieilli c'est vrai je suis plus dans le coup mais eh bon il y a la jeunesse qui a repris le, le flambeau et ça marche voilà Yacine ça va voilà bon mari fille marie Sénégal euh, voilà voilà les département animation bon euh, voilà je m'occupe maintenant de mes enfants les légumes, animation bu Madame Defigo hein. bon voilà mais je suis à Dakar et de temps en temps je vais à Casamance au Sénégal des fois pour me voyager quoi je suis dans le business de parce que quand même il faut Madame dara pour me donc boo tu es obligé de trouver d'autres créneaux pour pouvoir vivre voilà bon voilà. que hein. voilà je suis de Casamance voilà. Mm-hmm. mais en 2005 as arrêté de faire de voilà 2005 euh, depuis 2005 après tu l'as. nga depuis bon depuis là je me comme on dit le système D je me démerde je me débrouille mm-hmm. ah des fois les lignes me covoiturage hein yóbbu ay nit Thiès ay nee nañu loolu baaxatul mais mais bon voilà il faut vivre hein. Euh, des fois maa ngi ci bi des fois damay dem Saint-Louis jël ci ngooñ bi ñëw placé ko ak euh, jënd jaay quoi voilà je me je me démerde voilà je me débrouille parce que j'ai des enfants qui sont à l'école bon il faut faire quelque chose comme Mouno ñaan Mouno sàcc Mouno fen Mouno. am na yu bëri yoo xam man du ci à partir de mon éducation il y a des choses que je ferai jamais

la joie et la bonne humeur. C'était l'ambiance, c'était les jeunes, c'était les musiciens, c'était les artistes. Euh, essayer, bon, d'impulser la jeunesse, surtout artistique, côté humour, côté danse, côté euh, rap, côté mbalach, toutes les musiques passaient à Armatan. Tous les musiciens passaient à Armatan. Les comédiens, tu comédiens, tu Armatan Lendiar. Eh, rapperie yi ci Lendjar, ci Armatan jaar donc c'était un rendez-vous de la jeunesse sénégalaise et Armatan aussi c'était l'ouverture c'était à Dakar c'était dans les quartiers de Dakar c'était dans les régions j'ai fait Ziguinchor Armatan à Ziguinchor armatan Saint-Louis Armatan à Thiès Armatan à Kaolack Armatan à Armatan un peu partout à Tambacounda donc euh, on sortait, et on tendait le, micro et la caméra aux jeunes qui essayaient de donner ce qu'ils ont le meilleur dans un cadre, euh, dans, un cadre bien, avec beaucoup d'ambiance. Surtout l'ambiance. Armatan c'était l'ambiance. C'était les jeux aussi. Hein? le Funana Orange, il y de la chaise. Bon, il y a tourné, tourné du Guinée, chaise du Quel ben couple d'Est bon bu chrétien xëccee chaise bi donc voilà c'était intéressant et puis il y a le jeu de l'enveloppe ça c'était un jeu il tac sa euh, alors après ñu tourner la tech musique et puis avec l'ambiance du, public bon on jette des enveloppes et tu te baisses pour aller chercher de l'enveloppe euh, à l'aveugle tu voilà donc c'était des jeux qu'on aimait faire dans Harmattan voilà c'était un concept riche concept oui. nakala concept bi ñu parce que en fait avant Armatan, je faisais les matinées manque ngi commencé les années 82 83 85 86 donc faut lancer lancer ay musiciens musicien c'est-à-dire c'est les matinées disco on les appelait je faisais euh, dans les boîtes de nuit donc tous les mercredis samedi et dimanche après-midi les jeunes se retrouvaient au niveau des boîtes de nuit à partir de 18h, et on faisait des matinées dansantes jusqu'à 21h. À partir de 21h, ça, s'arrêtait. mais on le faisait tellement bien que ces jeunes qui venaient dans ces matinées, c'était des élèves. Ils venaient décompresser. Mais on les surveillait, on les éduquait, on leur parlait. Alors, euh, qu'il faut d'abord nous que django c'était fondamental, que django c'est important, de temps en temps, vous êtes là dans la boîte de nuit pour décompresser, mais sainement. Sainement. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on faisait, des concours de danse, des, on présentait des playbacks, on présentait des jeux. Donc, pendant ces matinées-là, c'était tellement bien. Beaucoup de la jeunesse sénégalaise est passée par là. Hein. On a formé beaucoup de jeunes sénégalais à travers ces matinées dans, le euh, disco. Donc, euh, à un moment donné, les matinées euh, ont commencé à baisser de rythme. Et un, jour, j'ai proposé à Chakal Djoum, qui avait euh, le fameux Lisa, mais les boissons Lisa, Madame Disco, on est quand même, mes chers, moi j'ai un produit pour toi. les matinées disco, beaucoup collé avec ta boisson Lisa, je crois que ça, ça pourrait bien marcher. Bon, voilà, organise un truc et je viens te voir m'a organisé une matinée, mon woko. Il est venu à 20h, j'ai arrêté et j'ai fait le spectacle. Donc, euh, c'est le spectacle, On faisait de la danse. À un moment donné, on arrêtait. Tout le monde installez-vous et on présentait des jeunes. Et, mais attention, ces jeunes-là, euh, pour présenter spectacle dans mes organisations, il, faut être, il, faut il faut être fort. Hein. Parce que quand tu dis, mesdames et messieurs, installez-vous, je vais vous présenter, ki ngay présenté, il faut que mu mën li nga xam ne ñu mais aujourd'hui ce n'est pas le cas bon donc pour être pour star dans mes matinées il faut vraiment avoir de la matière. voilà de la matière voilà de la matière si tu fais de la musique il faut que ce soit une bonne musique un bon son si tu es un bon danseur il faut que le prouver parce que dafay am ay danseurs yi dañuy toog gars des concours concours de danse. Donc le meilleur, quand tu fais du rap, il faut être le meilleur. Tu as travaillé par exemple l'enregistrement, la cassette. Ah, Là, les, les, les rappeurs du film, jaar yëpp bu sa cassette faut qu'elle ne son déjà automatiquement éliminé deuxièmement aussi le discours le message c'est important on écoutait avant hein. et ensuite maintenant les la tenue sur euh, le podium ou sur la scène. Bon, donc euh, tous ces, tous ces, tous ces facteurs-là, c'est important. Voilà, donc, je me présenter cher Nema Comment on fait bon, Il fallait voir, c'était le temps de, du directeur Babacar Diagne. Il est allé voir Babacar Diagne, il, je lui ai dit, il faut acheter une heure de temps à la RTS. C'est moins compliqué. Bon, mu donné une heure de temps et puis voilà c'est parti Nous la lancé ah. Armatan à la télévision. D'accord. Après, est-ce qu'il y une une de c'était en 95. Est-ce qu'il y a une fois que vous lancé à la télévision après Aura et Armatan Oui, non, c'était c'était trop. Non, non, non, je ne m'attendais pas à ça. Mais je savais que c'était un bon produit. Parce que, bon, voilà, euh, c'était un bon produit. Les matinées, c'est un bon produit. Armatan, les me donne présenté public, c'était vraiment un, un produit bon ramené. Faut me parce que c'était de bons éléments hein. la danse c'était les meilleurs que je je triais euh, les rappeurs c'était aussi les, meilleurs et puis euh, les voilà les les, musiciens donc on essayait de de de de bien les présenter dans la joie et la bonne humeur comme je te l'ai dit toujours bon voilà D'accord. 95 2005 ça fait 10 ans. alors <clears throat> après bi Cheikh une heure de temps du du du 10 du dix ans il la jëndee naka demee après émission parce qu'à un moment donné. oui à un moment oui oui à un moment à un moment donné non non euh, en fait euh, moi euh, euh Cheikh Tall bon il faut le dire il a acheté on a fait trois trois cinq ans 5 hein, ans York mais j'ai fait ça avec euh, Cheikh Tall Dioum ensuite euh, Lisa s'est retirée et puis bon j'avais pas d'autres sponsors. Mais je me battais avec... Euh, il y avait même, à un moment donné, Ali Haidar qui était venu me donner des coups de main. Euh, voilà. Mais euh, je n'avais pas... Je surtout côté sponsor, le Bon, il faut reconnaître que je n'étais pas businessman. <laughs> j'étais trop artiste. il hein, faut, vouloir faire ça sama, ça Aziz Sam voilà Aziz Sam côté business vraiment hein? top. Ah, c'est mon ami, des fois, des gens sans vie. Euh, jusqu'à présent, on se voit. Voilà, voilà. Donc, euh, quelque part, lui, il s'est tiré d'affaire. Mais moi, j'étais beaucoup trop artiste. Donc, il me fallait, pour mon business bidon, il fallait un manager. Parce qu'un animateur comme moi, moi, c'était l'animation. Voilà, négocier, mon bon amna yo xamné un wako donc voilà. c'est ma mon un manager voilà voilà 5 ans après 5 cinq ans après cinq ans accompagné par Lisa 5 ans après. des euh, cinq ans je me démerdais avec la RTS qui me soutenait. à un moment donné aussi ci animation bi j'ai senti que parce que le problème c'est mon histoire de d'animateur j'ai pas fait l'école de j'ai pas fait de, formation de formation euh, à animation ou formation. Euh, en, médias. Donc, moi, j'ai plongé comme ça dans, dans, l'animation. Et à un moment donné, à la RTS, j'ai demandé à ce que nous permettre de faire euh, un renforcement de capacité. Lolo, euh, au niveau de la RTS, aujourd'hui, je serai en train d'animer Bataille. Parce que, il faut le dire, hein, le renforcement de capacité, c'était à un moment donné où ça ne marchait pas bien pour moi. J'avais de la famille, j'avais des dépenses à faire. Je ne pouvais pas dépenser pour étudier ou avoir des, renforcements de capacité. non de la RTS c'était pas ça bon si ça été peut-être dans une télévision privée ils auraient investi sur moi euh, tu comprends mm-hmm. bon voilà mais voilà Lolo. Mm. moment moment là on arrête oui, en 2005, j'ai arrêté parce que bon, il n'y avait plus les moyens. Donc, je le faisais avec mes propres moyens. Et des fois, j'allais voir les, Quand j'allais à chose, c'était avec les maires. À Kaolak, c'était avec les, politiciens. Donc, tu vois, ça devenait dangereux euh, de, s'aligner avec les politiciens. Et moi, j'ai une formation qui euh, faisait que, voilà, le côté politique, ça ne marche pas avec moi bon voilà parce que man dëgg laa xam liggéey la xam ah, bon ñàkk la xam loolu laay wax booy donc quand tu vas avec les politiciens tu es obligé de, de présenter des gens qui nga finalement tu n'étais pas bon j'ai dit voilà il faut arrêter alors mm-hmm. là d'accord légui euh... Euh, émission bi amna koko euh, dan, ko dan ensemble cette présentation ah Nadia. <laughs> oui Nadia Nadia elle est là au milieu là celui-là c'est Cyril. Cyril hein. Batili. et puis voilà même ben, quoi voilà ça c'était une émission au Niani tu corniche lui, là là là voilà voilà. après Nadia vous avez co-présenté. pendant combien de temps. Euh, Nadia on a fait deux ou trois émissions en hein, deux ou trois années hein? parce que Amazon, c'est presque chaque vacances quoi. Mhm. voilà. vous avez fait deux. Ah, voilà voilà voilà voilà. après après bon euh, on a arrêté maintenant Nadia elle est mariée je ne sais pas si elle me regarde ou non. <laughs> bon voilà Nadia namu naa la de hein, on s'est bien éclaté ensemble. On a fait des émissions à Hambourg. Hein. C'était bien, c'était bien. À Thiès aussi. On a fait des émissions, on a fait à, euh, Dakar, quoi. Voilà. Armatan, lan mot le ci gënoon marqué ak ban artiste lancé est-ce qu'il y a lan mot la ci gënoon marqué. oui non euh, artistes presque Armatan les ils étaient confirmé c'était des stars. Youssou, Ismaël Allo, ils sont passés à Armatan à Arpen. Bon, mais hormis tout ça, il y avait les Falloudjan, les Bender, hein, euh, Dembadja, le feu, feu Dembadja, le feu Ablanbay Il y avait les Kouchak qui sont. les Kouchak, qui Armatan les fait. Hein, Nyom galopé hein, euh, côté humour, quoi, euh, vraiment. Bon, ensuite, euh, côté les rappeurs, c'était le PBS, Dabrens, Hein? Puis Froisse, bon, euh, voilà quoi, c'est bon, beaucoup, hein. Euh, Bamba Difal, hein. yaa koy le goût. est-ce qu'il y a une fatali pour émission Armatan, bi le gën a marqué. yii Harmattan c'est c'est c'est non Harmattan bon. On bien bien ñoom. des émissions où évidemment des émissions où j'ai eu l'honneur de recevoir Youssou Ndour Armatan, c'est un plaisir ça. Omar Pène dans Armatan, c'est un plaisir. E, Baba Mal dans Armatan, c'est et vraiment... Et e Bobo, est-ce que c'était est-ce que c'était difficile pour nous faire seen buntu ñu non non non c'est parce que comme, on a l'air avant avant Armatan, je te disais je faisais des émissions je faisais des matinées et à un moment donné j'étais l'animateur attitré de Youssou au Tchassan donc Youssou tout ce qui passait comme publicité de Youssou Ndour au cosaan je ne ko donc euh, les concerts j'animais les concerts donc euh, entre Youssou Ndour Super Diamono, Baba Mal, euh, donc je les fréquentais avant Maïdem Armatan. Je les ai fréquentés avant et de Maramata. Donc, c'est des amis à moi d'abord. Hmm? Oui. Voilà. Bon moment, bon moment, nga xamni présenté to affaire Youssou Ndour yi. Waaw, bima démé, bima commencé à ah, ah, bima démé Armatan. Bima hmm. défé euh commencé def Armatan, je ne je n'étais plus dans c'est en ce moment-là que la la la la, la jeunesse est venue, c'était euh, DJ hmm. Boops. Il venait très souvent. Euh, bon remarquez ça, mon, son animation c'est comme voilà, c'est un élève à moi. Hein. Et voilà, il a pris la relève. C'est une occasion pour moi aussi de le dire. Bon, voilà, je t'encourage. Hein. c'est bon. Vous l'eau. » Parce que vraiment, euh, boops, nice. Vraiment, voilà. Donc, euh, c'est à partir de ce, temps-là, ce moment-là, que voilà, j'ai senti euh, qu'il fallait arrêter. quoi. m'a me forcé dans Armatan Armatan, après le monde. il y avait la demande Moi je ma Il y, a toujours des gens qui venaient chez moi des fesses pour Armatan. donc euh, voilà. d'accord ben ben, Harmattan euh, jeex est-ce que relation relations gardé Ouais, ouais. j'ai les relations avec tous les musiciens de très bonnes relations tous les journalistes les animateurs je suis un homme te l'ai dit moi je suis l'homme de la joie et de la bonne humeur donc mon histoire mon problème man histoire rek donc lay bon voilà donc euh, j'ai gardé les relations les bonnes relations mais il faut que je te le dise maintenant là là là là je ne vois bon je vois presque personne voilà ni musicien ni artiste voilà je suis dans un autre secteur l'autre, ils sont dans l'autre voilà kiiwatoo quoi ci. bokkatuma voilà bokkatuma ci. voilà voilà voilà. ay amul ay animation yenn yooyu dem di. non léegi bokkatuma. pare naa peut être ngeen jël ma formé ma defaat ma ay formation mais mais après Amadan bi nga arrêté amul ñu le sollicité. ah chaque jour ah, chaque jour que Dieu fait mu génnee ci dëkk bi nit ñi day na ne waaye grand yow tamit ah. mais grand télé il day télé il day bëri y a de beaucoup de télé maintenant bon il faut venir il faut nga def bon est-ce que essayé pour dem non non je n'ai pas essayé. bon. Euh, euh, ouais, quelque part l'amour n'est plus là. et puis comme amour euh, voilà voilà et puis pas là. def ambiance bobo parce que man suis là. xam Si je ça, may peut-être c'est pas je man lu ni di non non moi j'aime bouger. Eh, léegi amatuma katan boobu. sa sa sa sa doom yi ñoom ñi nga xam ne jotuñoo seetaan xamuñu say émission ah. ñoom euh, fan euh, de temps en temps ma ma ah, tegal ma tegal ma ma temps dama am ay ay émissions ma tegal leen mais bon euh, seen xarit yi waaw ah. ma ma leen pare na léegi ma wax nax noonu ne léegi dama dem. Euh, retraite xam nga boo liggéeyee ba pare da nga def retraite boo ko ils vont comprendre voilà. d'accord voilà euh, je vous remercie d'abord vraiment d'avoir pensé à moi Ce n'est pas tout le monde qui le fait mais vous l'avez fait donc euh, mes félicitations hein. vraiment merci beaucoup et ensuite bon mais animation il faut gagner yi ko. il faut gagner yi ko. parce que voilà. Ce qui se passe au niveau de la télé, ce n'est pas ça. Moi, ça me fait mal. Euh, et pourtant, nous avons euh, euh, de bons produits. Mais si on ne met de bons produits, on prend de mauvais produits. Si on ne met pas de bons produits, on ne prend pas de mauvais produits. Il faut que nous prenions de bons produits. Il faut que nous prenions de bons produits. J'aime les bons produits. J'aime les bons produits xalaat lu baax pour nek baax mais bon lu bon bon la course ouverte, euh, le buzz mais en côté mauvais c'est je crois que c'est pas ça pas ça et puis animation aussi animation c'est l'animation hein, là. il faut euh, rek nga animation hein. il faut que au niveau des patrons de télé il y formation et puis ñu am ay thèmes et puis wala télévision c'était ce petit feu là qu'on avait avant où on éduquait tout le monde le grand-père la maman le papa l'oncle la tante ils étaient autour du feu et c'est autour du feu qu'on racontait les contes les légendes les proverbes les devinettes qui sont source d'éducation de formation d'information, de sensibilisation et de conscientisation. Donc voilà la télévision. Donc, vous ne connaissez pas salaamaaleykum wa Sénégal salaamaaleykum ak li ko wër ngi leen di nuyu yéen ñëpp fekk ci ku nekk sa tour ak si sa sant man Daba Ndiaye Aram Pay, si sama tour dëgg maa ngi leen di woo ci sunu projection VIP Sanse le 2 novembre prochain incha projection bi mi ngi nekk canal Olympia en même temps le 2 novembre dafay dawale seen TV fa lay commencé daw film la boo xam ne day wane lépp loo xam ne mooy taaral jigéen rawatina sénégalais yi day génnee sañse am humour am comédie voilà. artiste yu mak yépp nak ñi ngi biir vip sañse ku bëgg reetaan bëgg wàññi sa stress ñi ngi lay ñaan nga seetaan vip sañse jour ji mooy 9